17 novembre 2023. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité au programme de Sud Kalongou et bienvenue dans ce numéro du Forum de la presse que nous consacrons au décryptage de l'actualité de la semaine qui s'achève et ce avec des confrères des médias de Niamey. Dans ce numéro du Forum de la presse de ce vendredi, euh, nous allons tout d'abord parler de la libération de Kidal par l'armée malienne annoncée par les autorités maliennes. Ensuite, il sera question de la sortie médiatique du Bureau national du syndicat autonome des magistrats du Niger, Ben Saman, sur la situation générale de la justice dans le pays depuis les événements du 26 juillet 2023. Enfin, le sommet euh, saoudo-africain qui s'est tenu euh, le 10 novembre dernier en Arabie saoudite. Et pour en discuter, euh, nous recevons M. Arimi Abba, il est journaliste à la radio Alternative. Bonsoir. Bonsoir. Ousseini Issa, journaliste indépendant. Bonsoir. Bonsoir. Nous attendons d'un moment à l'autre l'arrivée de Memouna journaliste indépendante. Bonsoir à tous et merci de nous recevoir chez vous. Depuis près d'une semaine, les combats ont opposé l'armée malienne et les combattants du cadre stratégique permanent de la ville de Kidal. Les autorités maliennes de transition ont fait de l'entrée de l'armée à Kidal une question de souveraineté nationale, tandis que les rebelles du CSP dénoncent une violation de l'accord de paix. Et dans un message retransmis par la télévision nationale, la ORTM, ce mardi 14 novembre 2023 et relayé par la page Facebook de la présidence du Mali, le président de la transition, son Excellence le colonel Hassimi Guetta, chef de l'État, a annoncé, je cite, Aujourd'hui, nos forces armées de sécurité autorités se sont emparés de Kidal, une déclaration qui marque un tournant historique dans la lutte contre le terrorisme au Mali. Alors je commence avec vous, Armie Abba. L'armée malienne a donc repris aux mains des rebelles Kidal. Alors comment avez-vous accueilli cette information Bon, euh, c'est une information importante, je dirais, mhm. euh, dans le cadre vraiment de la crise que le Sahel euh, traverse actuellement. Mhm. Et tout de suite, j'ai pensé à deux acteurs euh, importants. Lesquels alors euh, Notamment le président du Mali, n'est-ce mhm. pas mhm. euh, donc je pense que au-delà du fait que ça il s'agissait pour les forces armées maliennes de d'affirmer leur souveraineté, d'affirmer vraiment leur emprise sur cette partie du territoire. Mhm, <coughs> ça agit aussi pour Assimi Goïta, à mon avis, que c'est c'est carrément un problème personnel aussi. Mhm. Et j'étais certain, j'ai été vraiment réconforté dans ma façon de voir quand j'ai entendu sur certains médias mhm. dire que justement en 2012, euh, c'était lui qui voulait, euh, après le, départ de, mhm. l'arrivée des forces françaises, euh, puis de euh, de l'ONU Mali là. Voilà que c'était mhm. lui d'ailleurs mhm. qui était à la tête de l'armée malienne et on lui aurait empêché de rentrer. Mhm. Donc après il a fait son coup d'État et on a vu tout son entêtement, toute sa hargne de vouloir vraiment reconquérir cette partie du Mali. Et donc euh, aussi j'ai pensé au, à l'ancien président Issoufou qui à un moment euh, de la crise avait sorti tout de même que euh, toutes les attaques qui nous viennent euh, ici au nord de mm euh, à l'ouest de Tawa aussi, <gasps> qui venaient justement, mhm, mhm, mhm. que leur source c'était Kidal. Donc, aujourd'hui, peut-être, peut-être que sera vraiment, il y aura un soulagement. Et c'est en cela que c'est triste vraiment de constater, à mon avis, quand même le comportement euh, qu'ont eu les Français, mhm. n'est-ce pas, qui ont carrément empêché à l'armée malienne d'y accéder, mais aussi de là euh, de l'amunissement qui est venu s'installer pendant dix ans. Et, cette ville était aux emprises de, des rebelles pendant près de dix ans. En tout cas, personne ne reconnaît être mhm. terroriste à ce mhm. niveau-là. C'est euh, la même mise vraiment des rebelles, je dirais entre guillemets, Touareg, n'est-ce pas, de, la zone euh, mais comment comprendre pendant près de dix ans, avec la présence de l'armée euh, française, que euh, cette ville n'ait pas pu être récupérée mais écoutez, c'était une des conditions d'ailleurs des, Français quand ils se sont installés. Hmm. Ils ont tout de suite dit que non, il n'était pas question que l'armée malienne rentre à, Kidal. Donc c'était resté comme une zone tampon. et beaucoup ont cru tout de même euh, que c'était la condition de la paix. Jusque-là, mm. il y en a qui continuent à dire que cette guerre pour Kidal mm. Mm. était de nature à enfoncer la situation au Mali. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, les forces armées maliennes euh, ont pris euh, cette ville, n'est-ce pas, importante du, nord Mali. Carrément, on dira que c'est la dernière ville du, nord, du nord Mali. Est-ce que euh, maintenant, tout, vous savez, on est dans une situation de guerre. Mhm. Tout est, il s'agit de prendre, mais il s'agit de ne plus perdre cette, euh, cette mhm. ville-là. Mhm. Vous savez, c'est une situation de guerre. Il y a une communication entre les deux euh, parties de, de, Maliens, n'est-ce pas, les Touareg, les forces Touareg de la de, de MLA qui étaient là et qui essayaient euh, de, retenir de vraiment euh, tout de suite la parti, ils ont occupé la ville et ils en faisaient leur affaire. Mhm, mhm, mhm. <coughs> Et là, les, les, les qui ont pris cette forme. Donc, chacun mène sa communication. Euh, je crois que il est un peu risqué de se dire que c'est peut-être la fin du, terrorisme, c'est notre souhait, n'est-ce pas Et si c'est le, le, cas, ça confirme aujourd'hui que euh, donc le, que, a été le bastion, mhm. n'est-ce pas, pour le départ de ces forces-là. Est-ce que c'est le cas euh, Est-ce que ce n'est pas le cas C'est seulement de l'avenir l'avenir qui, nous le dira. Parce mhm. que euh, vous comprendrez que moi, je suis gêné de dire que si c'est le cas, que vraiment tout le MNLA, tout ce qu'ils ont fait, tout le, ouais, qu'ils faisaient ça pour entretenir cette situation, ça allait être vraiment mhm, mhm. très grave. Bon, quoi qu'il en soit, il était aussi quand même très clair qu'il y a des ramifications. Mhm, euh, certains avaient entre, euh, un pied certainement au MNLA, d'autres euh, l'autre pied du côté aussi des terroristes. Bon, il faut, se le, il faut se le dire. Quoi qu'il en soit, c'est une zone extrêmement importante. Mhm. Et la revendication pour l'État euh, Azawat, n'est-ce pas, que d'aucuns confondent avec euh, euh, l'organisation commune du Sahara mhm. que la France a voulu mettre à la fin de la colonisation mhm. avant de s'en aller, mm aussi la vigilance des hommes politiques de l'époque, dont le Malien. Donc c'est vraiment une nouvelle. Donc c'est un nouveau chapitre. Un débat. Moi je pense que ça ne met pas fin ça repose le, débat sur cette question-là. Quoi qu'il en soit, les Africains, à mon avis, doivent être pour un Mali unique. N'est-ce pas On est déjà assez mhm. déchiré, mhm. assez entrecoupé mhm. que de vouloir d'un État dans cette zone-là, déjà, c'était vraiment quelque chose à ne pas envisager du tout pour, euh, le pays, pour nos pays. Parce que si ça avait marché au Mali, il n'y a pas de raison que, le Niger ne soit pas concerné, que la Mauritanie ne mm-hmm. soit pas mm-hmm. concernée, le mm-hmm. Burkina un tout petit peu et certainement l'Algérie. heureusement d'ailleurs l'Algérie, qui est une puissance... Euh, euh, militaire redoutable est dans cette zone-là. Et donc vraiment, je pense que au moins pour l'unité du Mali, euh, la prise de Kidal est une victoire pour tous les Africains. Merci bien. Comme nous vous l'annoncions, Memouna Diado, journaliste indépendante, vient de nous rejoindre dans ce studio. Alors avant de lui donner la parole, je retourne vers vous, Monsieur Nissa. Vous êtes journaliste indépendant. La prise de Kidal est une victoire pour tous aujourd'hui, pour l'armée malienne et pour tout Africain. Euh, vous, euh, comment avez-vous aussi accueilli cette information aujourd'hui Bien évidemment, on a pris ça avec joie n'est-ce pas Parce que tout ce qu'on a vécu au Mali, on a failli vivre ça aussi chez nous, ici, dans la région d'Agadez. Il ne faut pas perdre de vue cela. Comme, quelle situation La situation, la rébellion armée, tout ça. Les Français sont derrière. Il fallait balkaniser. Ils ont considéré qu'il fallait créer une situation où. Parce que c'est des zones qui sont extrêmement riches, le mm-hmm. désert. Mm-hmm. c'est des zones désertiques. Il y a mm-hmm. tous les minéraux dans ces déserts-là. Il fallait créer cette situation en montrant. Parce que c'était ça l'objectif. Tout à l'heure, Arimi vient de dire quelque chose qui est très pertinent. Mm. Quand ils sont venus pour aider le Mali à stopper la progression des djihadistes, ils ont empêché à, l'armée malienne. Alors, c'est à partir de là qu'on comprend que il y avait un jeu derrière, mm, mm, n'est-ce pas Ce C'était pas pour sauver le Mali, ils s'en foutaient pas mal des, autres communautés maliennes. Ils ont fait combien d'années là-bas Ils n'ont pas pu stabiliser la région. Ils ont essayé, ils ont empêché l'armée malienne, n'est-ce pas n'est-ce pas Ils ont empêché l'armée malienne. Mais comment je peux être dans mon pays où quelqu'un va dire que voilà, une région de chez moi, je n'ai pas le droit d'y accéder. accéder. Et que, y compris l'administration, moi, ce n'est pas, ça ne dépend pas de moi. Mhm, mhm. L'administration, la sécurité ne dépend pas de moi. C'est des groupes armés, mhm. des jeunes gens qu'ils ont recrutés comme ça. Ils viennent, ils se donnent de l'importance. Mhm. Chef rebelle de ceci, cela. Chaque groupe armé. Oui, qu'on leur donne une force. Quand vous entendez même dans la communication pour dénigrer l'armée malienne, c'était de dire que c'est une armée affaiblie, mhm. c'est un lambeau, c'est un lambeau. S'il n'y avait pas d'armée au Mali, c'était ça la communication de bout en bout. Quand il y avait, comment avait dit Parce qu'on entravait l'armée malienne. Mm-hmm. Boïta, quand il est arrivé, il a compris que non, ce, discours-là. Non, je ne peux plus continuer. L'armée, euh, le Mali, c'est un pays indépendant. Il s'est donné les moyens d'armer son, son, comme avait dit, les militaires. N'est-ce pas ils les, capacités, également. les y compris en allant vers d'autres partenaires mm-hmm, mm-hmm. Qui, sont, qui étaient prêts à l'aider. Eh, le résultat est là, n'est-ce pas Il a dit aux Français pactés. Ou les Français, ils ont estimé qu'ils vont partir parce qu'il a fait appel aux Russes. Mmh, mmh, mmh. vous avez vu comment on, qualifie les, Russes, que c'est les, mercenaires. Wagner, c'est les mercenaires de Wagner, c'est des gens tensionnaires, sanguinaires, qui ne respectaient pas les, supplétifs. Mais eux, ils sont venus avec un objectif, il fallait aider un pays en, en difficulté. Ils ne sont pas venus avec l'hypocrisie. La preuve, il a suffi que les Français s'en aillent, que la municipalité s'en aille. temps Ils ont engagé l'offensive mhm. pour montrer à la communauté internationale l'efficacité. Le combat n'ont pas, en tout cas les affrontements, le combat, ça n'a pas duré un mois, tout au plus deux semaines. Il y a aussi deux semaines, toutes les localités qui étaient contrôlées ont montré que c'était des guerriers, mhm, des braves, mhm. tout ça. Et le même discours que les régimes de les, les, les, les dignitaires du régime de Chine nous servaient, en disant que ils sont plus aguerris, plus, plus, plus, plus, plus, plus braves que nos, mmh, mmh, militaires. Mmh, ça montre que c'est des captons. C'est juste, ils ont juste, on fait juste une communication pour montrer que c'est des forces qu'on ne peut pas que nos armées. Quand on va jusqu'à dire que son armée est faible devant des individus qui sont moto, une insulte. alors ça pose un problème. Moi, j'ai dit c'est en cela que je suis très content, je suis très fier. Mhm. Et c'est une victoire pour toute l'Afrique noire. Pour empêcher, mhm. pour empêcher dorénavant que les gens acceptent d'être. On est déjà assez balkanisés. Mhm, si on doit encore accepter que nos pays là soient morcelés, ça va devenir grave. Parce que chaque puissance va venir s'installer dans une zone en négociant avec ceux qui vont diriger. Il n'y aura pas de développement dans ce pays. Il y a aussi ici. Et ils vont piller nos ressources et puis s'en aller. de saluer les contributions des uns autres, parce que je crois que euh, l'AES aussi a eu à contribuer dans ce, dans ce combat. Oui, tout le monde a contribué. Non, je veux dire, en fait, c'était quoi l'obstacle, mhm, mhm. Nafisa L'obstacle, c'était les forces étrangères qui étaient là, mhm, n'est-ce pas C'était eux, c'était ça l'obstacle. Ils ne sont pas venus. Mais j'ai dit aux comment des gens qui ont des moyens sophistiqués de guerre, mhm. ils peuvent mhm. venir dans un pays mhm. comme le Mali, n'est-ce pas Ou comme le Niger, ils sont là. Voilà des individus qui quittent à moto, qui peuvent parcourir 100 km. On dit qu'il y a des drones de surveillance et tout et tout. On ne les voit pas. Mais eux, ces mêmes gens qui sont à moto, 200 motos. qui, se viennent, effectivement. Donc, ils peuvent venir dans un village, ils vont ramasser tout le bétail. Et ils vont euh. convoyer ce bétail-là et puis disparaître. On ne sait pas où, ils où est passé. Pendant qu'on a mhm. des gens qui sont censés. Moi, c'est pour ça que j'ai dit en cela, Dieu merci. Mhm. L'histoire a donné raison à Boïka. L'histoire a donné raison à mhm. Ibrahim Tawari. Et l'histoire aussi a donné raison, le fait qu'on dise à ces Français-là, Vraiment, la souveraineté ne se, eh, comment ne se sous-traite pas mhm. d'un pays. La souveraineté, la sécurité d'un pays ne se sous-traite pas. Quelqu'un peut venir en appui. Mais il ne peut pas être la principale force. Ici, on est arrivé dans ce pays où on dit, ah, s'ils ne sont pas là, nous, nous sommes foutus. Mhm, mhm, c'est parce que le discours qu'on nous servait, même là. Nous sommes foutus. Si d'aventure ils s'en vont, c'est fou. parce que nous n'avons pas. Alors, ça montre que ne on dénigre pas son armée, n'est-ce pas Un chef de guerre est toujours là même si c'est deux hommes qui restent derrière toi, tu vas les galvaniser pour aller jusqu'au bout. Mais on a assisté dans ce pays à un moment où on dit non, il, faut, il fallait Merci. Coûte que coûte. Alors, même moi, je dis victoire, cette victoire-là, nous la partageons parce que je sais que Kidal c'est pas seulement une affaire de rébellion. Mhm. C'est aussi la base arrière des groupes terroristes, les mhm. djihadistes qui viennent, les chefs djihadistes, tout le monde est là-bas. Justement, le président, oui, justement, le président l'a indiqué que malgré le succès, de l'opération de reprise de Kidal, la, mission n'était pas achevée. Il a rappelé l'engagement continu à recouvrer et à sécuriser l'intégrité du territoire. Alors vous, Mme Diado, aujourd'hui, quelle sera la suite la suite, euh, le président Goueta l'a dit. Mhm. D'abord, il faut que je félicite. Hein, oui, euh, d'abord, votre peuple. ma réaction par rapport à la prise de Kidal mhm. par la, Une victoire, une en tout cas, une victoire sahélienne. Mhm, une victoire parce que c'est autant une victoire pour le peuple malien, c'est autant une victoire pour le Niger, pour le Burkina Faso. Parce que il faut également euh, féliciter l'AES, mhm, mhm. parce que je sais que l'AES a eu également à travailler sur euh, dans ce dans cette situation de, reprise de mhm, Kidal, là où le G5 Sahel a failli. en tout cas, oui, le G5, il faut le dire, le G5 Sahel a failli. La, création de l'AES, ça ne dure que quelques, mois. Et mais vous avez vu les preuves aujourd'hui, ça donne des résultats. Ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, en détruisant, en, prenant Kidal, mhm. ça veut dire que c'est la, ça prouve vraiment l'efficacité, l'intelligence et également la bravoure de nos armées. Mmh, mmh, mmh. C'est ça qu'il faut s'en féliciter. Et aujourd'hui, c'est <laughs> une partie du Niger euh, rattachée à cette zone de Kidal qui est vers Ayoru et, jusqu'à, oui, oui, qui progresse vers Tilaveri. Donc ça veut dire que c'est, c'est pour ça que j'ai dit qu'aujourd'hui, c'est autant, autant euh, euh, une fierté pour le peuple malien et c'est autant une fierté pour le Niger. Voilà, donc maintenant ce qui reste à faire, c'est de veiller à ce que les petites portions là, qui mhm, sont mhm. entre les mains donc de ces djihadistes là, mhm, que soient ces portions soient reprises par l'armée euh, malienne. Et ils vont s'atteler à ça parce qu'on ne peut pas créer victoire tout de suite, mais il faut être aussi vigilant. La vigilance est de mise. Ça veut dire que maintenant, c'est les frontières qui doivent être sécurisées, autant sécurisées. La base, la frontière du Mali et le Niger et le Burkina Faso Mhm. La zone des trois frontières. Les trois frontières doivent être sécurisées mhm. parce que ces gens-là, une fois chassés de Kidal, pour éviter qu'ils soient, mhm. infiltrés encore dans nos pays. C'est ça, en fait, le risque. Et je pense que eh, de la manière dont l'armée malienne est déterminée aujourd'hui à aller jusqu'au bout, je suis sûre qu'elles ne vont pas faillir et elle va continuer dans ce sens-là de ramener en tout cas toutes les portions-là qui, qui ont été longtemps en tout cas coupé du Mali. Effectivement, pendant près de 10 ans. Pendant près de 10 ans. comme ça qui, Mais aujourd'hui, regardez, les gens qui, qui criaient qui criait victoire que Kidal est dans les mains des, mhm. djihadistes. Aujourd'hui, ils ne parlent pas, ils ne sortent pas pour féliciter au moins, sinon qu'à sortir au moins pour féliciter le Mali. Mhm, mhm, Et voilà, ça donne raison, l'histoire donne raison que ce sont les Français qui étaient impliqués dans cette situation de, djihadistes, parce que nos populations, ils donnent les armes à nos propres populations pour s'entretuer. Et c'est une vérité. Aujourd'hui, l'armée malienne n'est plus sur le territoire euh, du Sahel, et voilà aujourd'hui que c'est des victoires mhm. que ces forces armées sont en train euh, mhm. d'avoir. Mhm. Et le défi aujourd'hui, il est énorme pour cette armée malienne. Pour... Mais euh, le défi est énorme et je pense que euh, l'exemple doit être pris également euh, au niveau donc euh, des, autres des, autres oui, des autres pays. Comme le Niger. Comme le Niger, le Burkina Faso. Déjà, le Burkina Faso aussi est en train de faire ses preuves. Mhm. Le Niger aussi en train de faire ses preuves. Mhm. Parce que chaque jour, on nous sort le bulletin, mhm. euh, en tout cas, des, des, djihadistes neutralisés par-ci, par-là, des opérations, en tout cas. Donc, ça veut dire que en termes de communication même, nos pays sont en train d'évoluer. Oui, rapidement, pour clôturer ce sujet. Mhm. C'est qu'en réalité, moi, je n'ai plus de crainte. Hein. Mhm. Je n'ai plus de crainte. à travers l'AES, là. une ville qui a été. À travers, on avait, les Français, les mhm. Occidentaux étaient là à s'amuser avec nous. Parce que les gens viennent poser des questions de financement avec nos propres moyens. L'AES va, on a dit on va mutualiser nos efforts, nos moyens de guerre. Ça veut dire que les, les, comment on appelle ça, les, les ramassis de machins qui ont fui là. Mais ils, n'ont plus, ils n'ont plus où aller. C'est dans les montagnes, qu'ils mmh, vont mmh, être mmh, traqués, n'est-ce pas Ça dit dire que il n'y a plus de ravitaillement. Parce que mhm. c'est quoi la force d'une guerre Quand tu n'as pas la logistique qui mhm. suit, tu vas perdre la guerre. Effectivement. j'ai vu. Cette victoire donc euh, de <laughs> l'armée malienne est à saluer et les défis sont énormes pour eux. On espère bien que les défis soient relevés pour euh, mieux, maintenir cette ville et au-delà de Kidal, toute tout le pays du Mali en sécurité et en paix. Nous allons marquer une petite pause avant de poursuivre. Retour ici au Niger où le mardi 14 novembre dernier, le bureau exécutif national du syndicat autonome des magistrats du Niger, le Ben Saman, a tenu à examiner la situation générale de la justice dans le pays depuis les événements du 26 juillet. Alors, Memouna, avez-vous déjà eu euh, avoir connaissance de cette euh, sortie médiatique. Euh, que pensez-vous donc euh, de cette sortie médiatique Oui, comme tout autre Nigérien, mhm. j'ai suivi ça. Mhm. Avec, en tout cas, le, ça me donne à dire que le Saman aujourd'hui est dans son rôle son rôle d'interpeller quand ça ne va pas, d'interpeller pour dire que aujourd'hui c'est une alerte que nous sommes en train de vous donner. Mhm. Parce qu'ils ont mis, le Saman a mis l'accent sur l'indépendance de la justice. Effectivement. Et c'est cette indépendance de la justice que nous, nous autres Nigériens, nous étions en train de décrier. Oui, mais justement, selon vous, aujourd'hui, qu'est-ce qui gangrène même la justice, euh, la crédibilité de la justice ici au Niger Mais ce qui gangrène, c'est que il y a toujours euh, des, des, magistrats, hein, brebis galeuses, excusez-moi, des magistrats qui sont là, qui, en fait, au lieu de jouer le rôle qu'ils doivent jouer, mm. ces magistrats n'ont pas amené un grand changement au niveau donc de la justice. C'est-à-dire mm. que trop longtemps, pendant 12 ans, nous avons vu une justice qui était quand même euh, enchaîné. C'est-à-dire qu'une justice qui ne pouvait pas, en tout cas, en termes d'indépendance. Vous voulez dire qu'il y a aussi des dossiers qui sont sans restés des dossiers qui sont restés sans suite et qui mhm. devraient être, euh, en fait, des dossiers mhm. où les gens devraient savoir connaître quand même le contenu jusqu'à la fin de, ce, mhm. de, ces dossiers-là. Mais aujourd'hui, les dossiers-là sont restés pendant devant ces juridictions. Le, Ben Saman est dans son rôle, hein, dans son rôle, il ne faut pas euh, se le cacher. Mhm. Euh, c'est son rôle d'interpeller quand ça ne va pas mhm. au niveau donc euh, des juridictions de la justice surtout. Mhm. Ils ont décrié l'indépendance de la justice parce que dans un pays il faut que on ait une justice indépendante, mhm. une justice qui serait capable de juger n'importe quel individu, mhm. une justice où les dossiers, quand ça va venir au niveau de cette justice, qu'on puisse quand même eh, faire le jugement de ces dossiers-là. Mhm. Mais aujourd'hui, hein, aujourd'hui, il y a plein de dossiers qui souffrent au niveau donc de cette justice. Mm-hmm. Regardez aujourd'hui, même dans les prisons, combien de, de, personnes, combien de prisonniers attendent d'être jugés. Et aujourd'hui, c'est cette lenteur-là. Il y a mm-hmm. une lenteur qui est là et que c'est cette lenteur aussi qui fait en sorte que quand ça ne va pas, il mhm. faut décrire. Mhm. Et le Ben Saman, hein, je, ne pourrais pas aller plus loin de ce qu'ils mhm. ont dit, mais je suis sûr que euh, l'appel qu'ils ont lancé, parce qu'ils ont également interpellé le, président, ou le chef de l'État du CNSP, pour dire qu'il a dit qu'il ne va pas s'y mixer dans les affaires juridiques. Et il pense que ce qu'il a dit, il s'en tiendra à, ses propos. Donc voilà, donc euh, moi ce que j'ai compris. Arimi, euh, vous de, votre côté, quelle analyse avez-vous de cette sortie médiatique euh, du Ben Saman Écoutez, dans tous les cas, le Saman était attendu mm-hmm. <coughs> parce que leurs membres, je voudrais dire les magistrats, les juges, mm-hmm. ont tellement été mis en cause, mm-hmm. à tort ou à raison, allons savoir. Mais toujours est-il que euh, c'est une institution importante. Mm, mm, mm. On parle en matière de démocratie du troisième pouvoir, après l'exécutif et le législatif, c'est le judiciaire. Euh, au vu du texte qu'ils ont sorti, de leur déclaration, euh, il faut retenir que, en fait, ils ont soif de bien faire. Effectivement. C'est une déclaration que je trouve très responsable. Et ils ont demandé notamment à revoir le fonctionnement même du conseil de la magistrature. Mm-hmm. Parce que en fait, vous avez vu euh, de tout temps le président, le, chef de l'exécutif et aussi le chef, euh, parce que le président le magistrat mm-hmm. suprême, mm-hmm. il y a quelque peu euh, de l'amalgame, il y a un peu vraiment euh, une sorte de cumul de fonctions, hum, hum, hum. n'est-ce pas Ça veut dire que euh, ces institutions ne sont pas, <coughs> ces pouvoirs ne sont pas aussi indépendants. Or, euh, ce qui fait la démocratie, c'est l'indépendance entre moi, lu entre les lignes, j'ai comme l'impression que le Saman veut que un peu le chef de l'exécutif ne soit plus le chef du Conseil supérieur de la magistrature, mm-hmm. qui s'occupe de beaucoup de choses, mm-hmm. notamment l'affectation. Mais est-ce que c'est raisonnable selon vous Moi, pour moi, ça ne me gêne mm-hmm. absolument pas, vraiment que ça soit ainsi, n'est-ce pas Parce que, euh, quoi qu'il en soit, le président de la République, euh, je ne parle pas du CNSP, mais le président qui sera élu, sera, euh, c'est un homme politique, n'est-ce pas Est-ce que on est assez mûr pour lâcher vraiment tout le monde, mhm, mhm. vraiment être jugé mhm. comme il, se doit, enfin, connaissant comment les alliances se font dans ce pays. Euh, j'espère que ça va changer. Hein. Euh, c'est l'espoir qu'on place en cette transition, entre autres. Mais aussi, quand les gens commettent leur bévue, ils se cachent derrière le parti politique, ils se cachent derrière la majorité, et ainsi de suite. Mm, mm, mm, et donc, quand c'est le chef de cette majorité-là qui, est le... Voilà <laughs> Donc, il a le moyen, le moyen quand même d'agir euh, d'une manière ou d'une autre. Parce que euh, il y a même ce qu'on appelle vraiment l'autocensure. Euh, autrement dit, tu connais ce que le chef de l'institution veut. Donc, tu sais ce que le chef du groupement veut. <laughs> Est-ce que tu peux aller au bout alors que si c'est ni vu ni connu, c'est pas lui qui te mm-hmm, nomme, c'est pas lui mm-hmm, mm-hmm. qui te place, c'est pas lui qui t'affecte. Bon, euh, c'est quand même une portion de leur pouvoir qu'on redonnerait au juge. Ça, c'est ça, c'est entre autres. Mais aussi, ils estiment que de tout temps, on ne les a pas laissés faire leur travail. Or, euh, euh, est-ce que c'est comme ça que ça se passe dans mhm. tous les pays de, en Afrique ou dans, de la sous-région Il y a moyen, il y a moyen vraiment, je crois que euh, qu'on se donne certaines vraiment, qu'on se fasse violence, mhm. parce que la démocratie que nous gérissons, euh, telle, son fondement, c'est vraiment la justice. Tant que ça ne va pas au niveau de cette institution, ça mhm. n'ira pas. Et d'ailleurs, on a l'habitude de dire qu'aucune société au monde ça peut être la plus dictatoriale possible, la plus, euh, comment euh, dirais-je, <laughs> mais la plus non religieuse mmh, mmh, possible, mmh, mais quand il n'y a pas la justice, ça ne va pas. C'est la justice vraiment qui est le fondement de toutes ces choses. Et on pense même que de toute la situation que nous vivons, c'est dû, entre autres, vraiment à l'injustice qui prévaut au niveau de notre société. Ça enfants, la voilà. situation de la justice, voilà. et hein, que chacun, euh, finalement, tu essaies l'homme, n'accepte pas mm-hmm. l'injustice mm-hmm. hein. d'une manière ou d'une autre. Il, euh, il, essaie de se rendre justice. Mm-hmm. Et donc, c'est vraiment, que ce soit au niveau du bas niveau, au niveau vraiment de la population, ou que ce soit au niveau vraiment de l'élite, c'est un travail à faire, il y a une violence à se faire, c'est nous tous en fait. Le Ben Saman a également demandé euh, instantanément au CNSP, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, la révision de l'ordonnance du 13 septembre 2023 portant création de la COLDEF, dont ils, ils, estiment que certaines des dispositions empiètent sur les attributions du pouvoir judiciaire. Alors, au ça qu'en dites-vous vous oh, Bien évidemment, bien évidemment. Ils ont raison. Mm -hmm. On peut sont... prendre on ne peut pas prendre, je ne sais pas exactement, je n'ai pas, on ne peut pas prendre des dispositions, comment dirais-je, qui, mm. comme, on avait dit, qui sont des, des, des, qui sont, qui sont réservées aux juges pour, pour donner à une structure où c'est des gens qui sont là, qui a été créés, Les juges, ils sont là, c'est des professionnels qui mhm. sont là mhm. pour juger. Donc, selon eux, la création de ce COLDEF n'est... Non, c'est pas en soi. Moi, ma, position, j'ai dit, mhm. tout à l'heure, je vais aller plus loin. On parle de <laughs> pouvoir exécutif, de pouvoir législatif et La justice est le principal ou pilier dans une démocratie, tout au monde. Tant qu'il n'y a pas justice, tant que la justice n'est pas indépendante, il n'y a, a, pas de démocratie. Parce que c'est quoi la démocratie prendre n'est-ce pas L'égalité entre les citoyens. Mm-hmm. Ah. Le, respect mutuel, le pactage comment des je la prise en charge des, préoccupations. Ah, c'est la justice qui garantit ça, mm-hmm. n'est-ce pas mm-hmm. Mais aujourd'hui, euh, ce n'est pas réel ici Ils ont dit exactement, n'est-ce pas Ce qu'ils ont dit, les trois points là. D'abord, il y a, comme avait dit, cette histoire du Conseil supérieur de la magistrature, qui est carrément une affaire politique. Mhm. Parce que c'est eux qui décident de, qui mhm. le juge là, il va aller où. On peut te balancer parce que tu n'as pas respecté, tu n'as pas obéi, on t'a donné des instructions, tu n'as pas suivi, on peut t'envoyer habilement. Mhm. En te disant, c'est une sanction, demain tu ne vas pas refaire. Et ça fait quoi C'est que ça joue sur les juges. Parce que les gens, ils se mettent dans la logique où celui qui m'a nommé, celui qui peut m'amener dans un endroit. Il, faut revoir ça. Je suis tout à fait d'accord, il faut mhm. revoir ça. Mhm. le deuxième aspect qu'ils ont demandé, et comme avait dit, la levée, de, la, suppression de ces immunités aux, politiciens, aux, politiciens, immunités, ministres, Et tout le monde est d'accord avec ça. Mhm. Il faut qu'ils soient jugés au même titre que tous, les, citoyens. Pourquoi on va donner des privilèges de juridiction à des gens C'est les mêmes gens que nous. Mhm. Moi, je suis de ceux-là qui pensent que pour que ça puisse fonctionner, pour que les gens aient peur, mhm. c'est qu'il faut que tu te dises que si tu vois un il n'y a rien à faire. On ne va pas se mettre à mettre une commission mhm. pour t'interroger où les gens vont venir. Non, on ne va pas le mettre. non. Moi, je dis, c'est une très bonne chose. Maintenant, le parquet qui se retrouve rattaché, le parquet aussi doit être indépendant, n'est-ce pas Voilà les trois principaux. Et ça, les trois principaux axes. Et ces points-là, ils les ont toujours exposés. Hmm. Moi, j'ai dit, ce n'est pas la première fois qu'ils en parlent. Mais l'homme politique là ne va jamais changer, n'est-ce pas Parce que le principal instrument, ou du moins le principal, la, principale arme pour les hommes politiques, c'est la hmm. justice. Hmm, je détiens la justice, tu m'énerves. Tu, me mets, tu, me mets, les bâtons dans les roues en tant qu'adversaire politique. Je vais monter quelque chose, je vais trouver un juge qui va te tu condamner condamné sans mm. état d'âme. Mm. Mm. Maintenant, quand la justice est véritablement indépendante, on crée les conditions pour que le procureur. Parce que ça peut se faire. Il ne faut pas se faire. Moi, quand les gens disent non, ça peut se faire. Et ça s'est fait dans les contextes généralement de transition militaire. Et c'est en cela que je demande aux Saman. Le tout n'est pas de faire des déclarations. Donnez-vous les moyens d'imposer cela pendant cette période-là. Pour que ça soit maintenu. Comme ça, ceux qui vont venir après, ils mm-hmm, seront mm-hmm. obligés de travailler avec. avec effectivement. Mais si d'aventure se après la déclaration. Mhm. Il ne faut pas s'attendre à ce que les acteurs mhm. politiques là, mhm. ils viennent remettre en cause quelque chose. Ah, moi, je dis, moi, chaque fois que je vois les amis juges, je le quelqu'un ne va pas venir. Les populations <laughs> sont d'accord, les populations sont d'accord, les populations sont prêts à vous soutenir. Mais il faudrait vraiment que ça vienne de soit vous. Effectivement. Ce n'est pas simplement dire qu'il faut, il faut que le pouvoir, le pouvoir. J'ai pris acte. Mais en prendre acte et vouloir échanger, il y a souvent un fossé. Mais vous, aujourd'hui, Memouna, quelles sont vos recommandations pour que vraiment la justice nigérienne soit indépendante et œuvre en toute euh, transparence Mais c'est ce que Hussein mmh. vient de mmh. dire. Mmh. Ça, là, c'est un travail que le SAMAN doit faire. Hein rapidement et mettre l'accent sur tout ce qui doit être Avec cette déclaration, c'est déjà un premier pas. Mais c'est un premier. Mm. Mais maintenant, c'est aller, aller, euh, pour, poser, les actes, poser les actes, comme il a dit. C'est on profite de cette transition <laughs> mhm. pour en tout cas arranger ceux qui mm. peuvent être arrangés mm-hmm. pour que demain les hommes politiques qui viendront mm. verront déjà que c'est des textes qui sont là mm-hmm. et qui sont régis et qu'on ne peut pas toucher. Mm-hmm. Maintenant, je suis totalement d'accord qu'on enlève l'immunité de tout un chacun, que ce soit député, que ce soit ministre, que, ce soit président, on enlève. Mais que ça ne soit pas uniquement les hommes politiques oui, et On enlève parce que c'est ça en fait qui crée la discorde dans ce pays-là. Quand tu voles, tu dis que tu as l'humilité, tu ne pars pas en prison. Mhm. On n'est pas capable de. Aujourd'hui, la justice n'est pas capable de t'interpeller pour pouvoir t'écouter mhm, mhm. et pour pouvoir faire un jugement équitable. Non, mais dans ce cas, dans ce pays, s'il n'y a pas de jugement, s'il n'y a pas de, de justice équitable entre les Nigériens, c'est le plus grand danger. Dernier sujet de ce forum de la presse de ce vendredi 17 novembre 2023. Ce 10 novembre s'est tenu à Riyad le premier sommet euh, saoudo-africain avec pour thème développement et prospérité agriculture, éducation, santé et aide humanitaire. Plusieurs chefs d'État africains y ont pris part et selon l'agence de presse saoudienne, le but de ce sommet est de développer les relations entre les deux parties, que ce soit l'Afrique et l'Arabie saoudite dans divers domaines, de renforcer la coopération conjointe, d'améliorer les relations de partenariat stratégique et de valoriser les liens historiques entre elles. Alors, Hussein Issa, avez-vous d'autres informations ou précisions sur ce premier sommet euh, saoudo-africain L'Arabie saoudite, c'est un pays. Hmm. L'Afrique, c'est 53 pays. <laughs> N'est-ce pas Donc hein? Voilà comment on infantilise l'Afrique. Sommeil Russie-Afrique. Sommeil Chine-Afrique. Hmm. Sommeil Japon-Afrique. Hmm. États unis sommeil états unis afrique états unis encore, c'est plusieurs États. <laughs> N'est-ce pas Mais quand moi je vois ça, où tout le monde, les chefs d'État courent pour aller. Alors, ça pose un sérieux problème. Mm. Lequel selon vous Le problème que ça pose, c'est justement que les gens acceptent d'être infantilisés. Mm, mm. Parce que c'est quoi cette infantilisation Tout le monde, a, tout le monde, tout le monde, y compris ceux qui sont des pays où c'est le christianisme domine, tout le monde est parti en Arabie Saoudite. Mais selon vous, ça n'a aucun avantage pour nos pays africains. parce qu'ils se disent il y a les pétrodollars, il y a des retombées qu'on crée les conditions pour que nos ressources-là, mhm. n'est-ce pas Je peux comprendre qu'on me dit sommeil, <laughs> Afrique moyenne rien. Sommeil, comment on appelle, là, euh, je sais pas Asie. Bah. Alors, mhm. ça, je peux comprendre. Mhm. Mais quand des gens se mettent dans cette posture, ça veut dire qu'on accepte d'être dans une situation où on pense toujours que c'est l'autre qui doit nous amener le développement. Alors que nous avons les ressources chez nous pour pouvoir, en créant justement les synergies nécessaires entre nous, en Afrique pour pouvoir développer nos pays. On n'aura pas besoin d'aller pendant 2, 3, 4, 5 jours s'asseoir, et écouter des gens qui ont d'autres préoccupations. Et bon, bon, mais voilà, on les a tous réunis, ils sont là. Le Niger a d'ailleurs été représenté par le Premier ministre du gouvernement. Et dans, un discours qu'il a prononcé, il a invité tous les pays et partenaires et à venir investir au Niger et développer des partenariats mutuellement avantageux. après, c'est fini, les gens se sont réunis, ils ont échangé. C'est une communication. donc... Ils savent les problèmes que nous vivons, y compris l'Arabie saoudite. Mhm, ils savent mhm, les problèmes mhm, que nous vivons, n'est-ce pas ils peuvent nous aider autrement, surtout qu'on est des pays musulmans. Mhm. Mais souvent, nous sommes dans des difficultés, ils nous ignorent mhm. totalement. Alors, moi, j'ai dit, si il faut attendre un sommeil, bon, ils viennent, ils font des propositions. Je ne sais pas, ils ont dit un montant qu'ils ont, donné, un montant de combien de, un fonds destiné à l'Afrique. je, je me suis dit, vraiment, si, c'est sur ça que les Africains comptent. Mais c'est malheureux. Mais vous, Arimi, l'aide développement. <laughs> Arimi, êtes-vous aussi du même avis que Ousseini Quel avantage pour nos pays africains au fond, euh, au, fond, oui. Mais hein, pour en venir, je peux évoquer deux, trois choses. Mhm. Bon, pour le CNSP et son gouvernement, mhm. dans le contexte actuel, c'est une ouverture. On a vu le Premier ministre ah. nigérien euh, saluer le président euh, nigérien, mhm. le président ivoirien, mhm. Mhm. n'est-ce pas et ça a permis au moins qu'ils parlent. On ne sait pas exactement ce qu'ils se sont dit, mais c'est une ouverture, mais aussi ça a démontré, euh, entre autres choses, que, bon, au moins l'Arabie saoudite euh, ne fait pas partie de ceux qui nous ont isolés. Et donc tout forum, toute rencontre où les Nigériens euh, les hommes politiques nigériens, les dirigeants nigériens actuels peuvent aller, euh, au moins se faire entendre, faire entendre la voix du nez, c'est un atout. Mhm. Euh, en cela, ça n'exclut pas ce que Hussein dit. Mhm. L'Arabie saoudite, sa principale richesse, mhm. c'est le pétrole. et à la faveur de la crise du Mali et du Sahel en général, on nous a ressorti ces dossiers comme quoi nos territoires sont parmi les plus riches mm. au monde. N'est-ce pas mm. Eux, ils ont exploité mm. durant des décennies, n'est-ce pas ils caracolent à la tête du monde, ils font ce qu'ils veulent avec l'argent. Ils peuvent donc apporter appui à nos pays africains. Ils apportent, on a l'habitude, ils, financent des projets. Mais c'est pour dire que ce n'est pas leur faute, ce n'est pas notre faute, nous autres, à la base, mais c'est la faute des dirigeants africains qui se sont succédés qui n'ont jamais été en mesure d'exploiter les ressources mm-hmm. que nous avons. Mm-hmm. Mais même quand ces ressources sont exploitées, c'est pillé mm-hmm. en complicité avec les Occidentaux qui euh, prennent une part et nos dirigeants qui s'asseyent correctement avec leurs familles pour manger leur part. Donc, c'est en cela que ça ne saurait continuer. Je suis d'accord qu'un pays ne peut pas convoquer tous les continents africains, n'est-ce pas Comme ça s'est fait. Et tous les pays qui s'estiment émergents ou puissants, aujourd'hui, ont leur rencontre dans l'année avec mmh, l'Afrique. Mmh, mmh, bon, il faut euh, sincèrement dépasser ça. Les ressources que nous avons, qu'est-ce qu'on en fait Qu'est-ce qu'on en fait C'est-à-dire, nous, les gens sont nettement en avance. L'Afrique n'est pas prête pour s'auto-suffire ou quoi oh, En tout cas, on a pris énormément de retard, alors que les ressources, nous les avons. tout ce qui fait la richesse de tous les pays les plus riches aujourd'hui au, monde, nous les avons. Nous ne sommes pas à mesure de les exploiter, mhm. nous ne sommes pas à mesure de gérer mhm. les retombées de ces mhm. ressources-là, ou c'est des miettes qui souvent qui ne sont même pas lisibles dans nos budgets que nous avons. Le Niger produit l'uranium depuis les années 60, n'est-ce pas Est-ce que à quoi ça nous a servi exactement, n'est-ce pas D'autres pays qui produisent l'uranium, on sait qu'ils ont des, centrales nucléaires, mm-hmm. l'électricité, ce n'est plus mm-hmm. un problème chez eux. Ceux qui ont le pétrole, mm-hmm. nous, ça fait euh, euh, pratiquement une dizaine d'années que nous avons notre pétrole. Le temps est contre nous, mais, oui. mais, regardez ce que euh, ou Arabie Saoudite fait avec. Même l'Algérie à côté de nous. Mais c'est extraordinaire. Même l'Algérie là et le Niger aujourd'hui, c'est la nuit et le jour. Donc il y a que les Africains se disent mm-hmm. que nous-mêmes, on peut, un pays comme le Congo, c'est vraiment un sacrilège qui ne soit pas dans la position de l'Arabie Saoudite. <laughs> Mhm, mhm, mhm. Qu'est-ce que l'Arabie Saoudite ou la France ou je ne sais quel autre pays peut montrer au Congo Ce n'est pourtant du point de vue du territoire, du point de vue de la clémence du climat, du point de vue du sous-sol, ce qu'ils ont, mais c'est extraordinaire. On n'est même pas J'ai vu des organisations qui s'occupent de la faim au Congo. Mais est-ce que c'est, est-ce que vraiment on est Mais aujourd'hui, comment nos pays africains peuvent se réveiller aujourd'hui euh, pour s'auto suffire si on peut le dire. <laughs> c'est d'abord ce que les, mes deux confrères l'ont dit. C'est qu'aujourd'hui, tant qu'on n'enlève pas de nos têtes qu'on peut être aussi, on peut s'autosuffire, suffire mm-hmm. euh, qu'on n'a pas besoin de quémander, qu'on n'a pas besoin de tendre la main, que ce soit un pays occidentaux, euh, les pays occidentaux, que ce mm-hmm. soit les pays européens. Mm-hmm. Ça veut dire tout simplement, il faut travailler il faut travailler. Mhm, mhm. Et le fénantisme, là, il faut qu'on l'enlève. ça, <laughs> c'est une réalité, en fait. Mhm, on a on est béni, c'est un pays aujourd'hui, l'Afrique, c'est le continent est béni en Afrique. C'est un continent béni, c'est un continent où il y a tout ce que nous voulons comme ressources minières. Il y a l'eau, il y a tout ça là. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui on peut s'autosuffire Regarde, même ici au Niger, ne parlons pas d'autres pays, mais parlons de notre hum, hum, pays. Hum, aujourd'hui, il a fallu que euh, euh, la CDAO là, avec les sanctions de la CDAO, là, pour qu'on puisse, oui, oui, pour qu'on s'alarme tout de suite, le prix du riz, mm-hmm. le, sac de riz est monté à 16 000, 17 000, alors que on pouvait mm-hmm. être autosuffisant mm-hmm. à riz depuis des années. Qu'est-ce qui nous manque pour ne pas être autosuffisant Il faut, Donc, c'est tout simplement qu'il faut qu'on revienne à la réalité des choses. Il faut d'abord qu'on sensibilise nos populations. Il faut également qu'on crée les conditions de les faire mm. travailler mm-hmm. d'une autre manière. Parce que, comme on le dit, tout un chacun ne peut pas être dans un bureau aujourd'hui. Et dans un bureau, quand tu te trouves dans un bureau aussi, il faut aussi des gens qui puissent réfléchir sur la marche de ce pays. Merci, merci Memouna. Il faut que, euh, il faut travailler, il faut que l'Afrique se réveille pour vraiment euh, son autosuffisance. C'est ici que prend fin ce numéro du Forum de la presse de ce vendredi 17 novembre 2023. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci, chers invités. Nous étions en compagnie de Memouna Diado, journaliste indépendante. Ousseini Issa, journaliste indépendant également, et Armiyaba, journaliste à la radio alternative. Merci à vous. N'oubliez pas le programme des jeunes euh, le samedi et dimanche avec l'actu des jeunes des 17h suivi de tous à la FADA et les samedis et dimanches les forums à Langhausa et Zerma. Je suis fils Adam Silfo à la modération. La technique a été assurée par Mustafa Yuba, la régie vidéo Issa Lawali. Très bon week-end à tous. Au revoir.